Welcome back. Fada, j'espère que je vous souhaite la bienvenue dans cette émission Jeune du studio Kalangu que vous écoutez à travers nos 52 radios partenaires partout au Niger. Et pour la présentation de ce soir, euh, c'est Samira Wafi pour vous tenir compagnie. Aujourd'hui, dans cette Fada, nous allons parler de tout ce qu'il faut savoir sur les chagrins d'amour. Le chagrin d'amour chez les jeunes, comment est-il vécu Tout d'abord, euh, mes chéris, le chagrin d'amour a euh, une période plus ou moins longue de souffrance et de tristesse qui accompagne une rupture amoureuse ou qui est due à une absence de réciprocité des sens il naît d'un sentiment d'abandon, de perte, de manque. Un chagrin d'amour est généralement vécu par étapes successives de quelques jours, voire quelques mois, voire même plusieurs années pour certains. Déjà, il y a une phase de protestation pendant laquelle le cerveau libère la dopamine et la noradrénaline ayant pour conséquence d'augmenter la vigilance et le désir de faire revenir son partenaire, une phase de résiliation plus ou moins longue qui se caractérise par une grande tristesse qui permet de faire le deuil de la relation. Une phase d'acceptation aussi pendant laquelle euh, la personne a tourné la page, se reconstruit et peut envisager une nouvelle relation amoureuse. Selon le site euh, psychothérapie.fr, le chagrin d'amour se caractérise par le sentiment d'avoir le cœur brisé, une grande solitude, un sentiment d'abandon, de la tristesse, une sensation de manque de pleurs et de douleur morale qui fait en sorte que la personne se replie, genre un repli en soi. Et vous savez, au Niger, nombreux sont les jeunes qui ont souffert et qui continuent à souffrir <laughs> du goumen, comme on l'appelle le chagrin d'amour. Alors, pourquoi le chagrin d'amour fait-il aussi mal Peut-on mourir suite à une peine de cœur Comment peut-on survivre après un chagrin d'amour Pour discuter de toute cette question et aussi euh, plusieurs autres, nous avons avec nous ce soir euh, dans la vallée de Guntiena. Je commence avec ma gauche, ma chérie. Ok, merci. Euh, je me présente Zaza Mimosa. À côté d'elle, nous avons Babs Magaji, Ahmed Dari, Tarei Douda, Sani. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à cette fada. Mais j'aurais aimé quand même que vous me dites, euh, toi par exemple, Ahmed, euh, tu es Ahmed Bari, mais qui es-tu vraiment Je suis entrepreneur, formateur et écrivain. Merci. Alors avant de commencer, chers invités, je vous propose euh, d'écouter la réaction de quelques jeunes sur ce sujet. Ils sont au micro de Farida Maman. Aized e ko premier jour ma na n'annonce au test et aized e ko kalman no ay han tout au long de la journée. Atil carré n'est préparé des mois. Wallahi in wawo gobe si vers 10h ai mun gugun waye ko après 16h da nake tsofa kai han ai sun tinga ka na ma yana halaga tanta ko 10h ba ai tinga bi kuma foro lalidi kul imagine da bararan mu te girhin ka giri, girhin zaran gocar bande yake bara mu ko gin fini ko gin gahi ga tilon gufo ko da kan no giye gudoru asini ni se ka tainim giya istaci wal mon chorfo walni hayo yakinde dai se he filan ni makan ni arso dungo hi wala gume fono ba wani nin ba bora kan ni tsabe mat ni gite kan bora ni zamba wal bora mini kaina wadira wannan ba bora hi jigidi ginna ni da te giru margifu bora mi zamba je vais commencer euh, avec euh, toi babsa comment surmonter un chagrin d'amour selon toi Un chagrin d'amour, déjà, c'est chacun sa façon de gérer. Je me dis qu'il faut faire des activités qu'on aime, déjà pour commencer. Et après, s'entourer de personnes positives qui ne vont pas totalement vous rappeler tout le temps que vous passez un moment de chagrin. Et essayer de manger beaucoup. Alors, merci. Et toi, Zaza, si tu as un gourmand, comment est-ce que tu arrives à, à l'oublier et à passer à autre chose ayo fisbilla da albornay bin sara walla ay gidi fonga gano kan ay singidir dirnya donc euh, l'essentiel pour moi ay mfatan dai chorai wala chorem ka fa karaisi irum fatta da irum ko restaurant irum ko soirée un truc comme ça irum chillingti tamen tare ndai gorfu susi hinra ne gfuru ay sidirnya ngaga mo igse be ga hantumasi aiga ba a ce da ne bloke Donc, euh, ba ay go ay su sira war kul kan kan isa iga san mai harwa donc du jour au jour et toi, Tari, comment est-ce que tu surmontes tes peines de cœur Si c'est vraiment une peine de cœur, il faut se replier sur son loisir préféré et se confier à son meilleur ami et se poser des questions sur euh, la cause de ce chagrin pour ne pas commettre euh, la même erreur. Alors notre coach du jour, Ahmed Barry, j'ai une question spéciale pour toi. Est-ce qu'on peut avoir la force et la confiance d'aimer à nouveau après euh, un oh, La force et la confiance sont toujours là, mais la question c'est est-ce qu'on a l'envie d'aimer Parce que si tu as aimé quelqu'un, il t'a poignardé, deux personnes, c'est pas que tu n'as plus la force d'aimer, mais est-ce que tu as envie d'aimer à nouveau Parce que la peur de revivre la chose, là, devient euh, un blocus. Et pour cela, il faut juste euh, comprendre une chose. Quand tu as ce qu'on appelle peine de cœur, déjà, je, je profite pour expliquer, c'est pas le cœur qui est brisé, il n'est jamais brisé, c'est les attentes qui sont brisées c'est les attentes. C'est pas un corps qui est brisé. Le cœur ne se brise pas. <laughs> Il ne se brise pas. Il fait boum boum, il circule le sang. Ça, c'est OK. Au cœur, il fait son boulot. n'est pas le cœur. Mais comme ça fait très mal, donc on identifie ça au cœur, comme le cœur est le centre de la vie. Donc, lorsque tu as un goumeur, il y a deux choses que tu dois te poser. Quelle est ma part de responsabilité Ça, c'est un. Parce qu'en fait, il est très simple de pointer du doigt. Mais il faut se demander quelle est ma part de responsabilité. Tu as une part. Et maintenant, cette part que tu découvres, qui te concerne, là maintenant, tu t'assures que prochainement, tu ne la recommences pas. Maintenant, la part de l'autre personne. Tu n'as pas à essayer de justifier ce qu'il a fait, mais tu te demandes quelle part de moi ou quel comportement lui a permis de faire ça. Babs Magaji, euh, dis-moi, est-ce que Irwin Danta, Gingte Watkulu, on tombe dans les mêmes situations, surtout par rapport au gourmets Bien sûr. Déjà que nous sommes une jeunesse, on aime trop l'effet de mode. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se mettent en couple juste parce que tout le monde le fait. Pas parce qu'elles sont vraiment avec les bonnes personnes ou bien pas parce qu'elles se sentent vraiment à l'aise dans les relations. Donc je me dis que ça peut vraiment impacter et voilà. doori way kul doori follon kano ay parce que hun kunni mfatti wani rani mi yegu fura afora ay hay kulnos doori ga hun kuna ninda alwararan go charbandi za sintina ka sintin gindira ye il avait ton temps a wani lokaci a gince a ga au fil du temps

l'essentiel que tu me donnes ton temps, ton attention et de surcroît aussi le plus, ce que j'aime le plus, le respect dans une relation. Euh, aujourd'hui, ah, tu es avec une personne, il ne te respecte pas, je me dis que ça ne vaut pas la peine de continuer avec cette personne. Donc, euh, tu essaies de, devoir voir ailleurs. Merci Zaza. Ta question euh, m'inspire pour une autre question que j'aimerais poser à Ahmed. Est-ce que notre apparence peut faire en sorte qu'on souffre toujours en amour Ouais, forcément. Même pas l'apparence, le visage suffit. Si je te regarde, je sais ce que tu ressens. Le visage est le miroir de l'âme. Donc, tu connais pas une personne, tu la regardes, tu peux savoir ce qu'elle vit. Bon, si tu connais, bien sûr, les, traits caractéristiques, si tu es assez présent, en regardant quelqu'un, tu peux savoir ce qu'il vit. C'est comme ce que je dis à mes collègues très souvent. Je dis, tu sais que tu peux tout faire sauf me mentir. Parce que dès que je te regarde, je peux savoir si tu me dis vrai ou si tu dis faux. Parce qu'en fait, il faut comprendre une chose. Ta bouche peut mentir, mais tes yeux ne mentiront pas. Ça, c'est impossible. Donc, les gens peuvent dire, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Mais si tu regardes leurs yeux, tu regardes leur euh, visage, tu peux savoir s'ils disent vrai ou faux. Donc euh, l'important en fait, ce qui nous fait mal surtout, c'est même que la plupart des gens, ils se refusent le droit à la souffrance. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont tellement bien, tellement gentils, tellement corrects qu'ils n'ont pas le droit de souffrir. C'est pas dire qu'ils doivent souffrir, mais cest à dire que quand tu souffres, reconnais que tu souffres. Surtout les hommes, ils font ça. Comme ils doivent se montrer forts, comme ils doivent se montrer hommes, le gars peut souffrir, mais il ne le reconnaît pas. Et toi, Babs, toi qui reçois la plupart du temps sur ta page Facebook des gens qui te racontent leurs peines de cœur et tout, est-ce qu'à travers tout ce que tu as déjà lu et compris, tu penses qu'il y a une catégorie de personnes ou bien un physique que dès qu'on le voit, on dit non, lui, il mérite d'avoir le gourmand hein? Ah non, les humains sont devenus ce qu'ils sont, en fait. Tout le monde est méchant. On est même dans un concours où, genre, qui pose les actes les plus méchants aujourd'hui Franchement, donc il n'y a pas de catégorie. Je me dis, c'est quand tu, te laisses trop aller qu'un certain taré peut te donner gourmand. Aujourd'hui, taré, il vient avec sa vieille moto, il te dit salam alaikum, telle personne, je vais sortir avec toi. Il faut te dire, est-ce que cette personne mérite de me donner gourmand Une certaine zaza, tu vas la draguer, tu vas te demander. Il faut savoir se mettre avec son calibre. Comme ça, même si tu as gourmand là, tu sais que tu as pris gourmand. <laughs> voilà, c'est un gourmand mérité et tu ne sors pas carrément perdu. Mon frère aussi, al il faut savoir se mettre avec quelqu'un de ton calibre, ça va t'éviter beaucoup de problèmes. Voilà. Alors, Alker, vu que ton nom est déjà venu, tu es d'accord avec ce qu'il a dit Tu peux nous raconter ou bien nous exprimer ce que tu as ressenti lors d'une de tes peines de cœur. Tu as pris beaucoup de déceptions. <laughs> voilà. Moi, je ne peux même pas finir si je commence là. Mais raconte-nous ce qui t'a le plus touché. Ce que je peux dire, c'est qui m'est arrivé dernièrement même. Le 14 passé, le Saint-Valentin. Oui. Des gars, ça, mon... Il y a des nouveaux dossiers. Euh, en fait, j'avais une copine et on a fait presque un an ensemble. Maintenant, on a décidé de se marier. Du coup, nous sommes sur ça. Comme nous sommes presque de la même famille, elle m'a montré la photo de ma maman. Elle, elle disait que c'est sa belle-mère, comme ci, comme ça. Mais le lendemain, elle m'a écrit bonjour. Comme je l'ai appelé la nuit, le samedi vers, vers 22h, comme ça, elle ne répondait pas. Et le lendemain, elle m'a écrit bonjour. Je lui ai dit pourquoi elle ne me répond pas. elle me disait Ça suffit, elle est dépassée. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Ses parents, je suis pas riche, je ne suis pas d'une famille aisée, donc du coup, voilà. So, Tandai Subayginga Kocha Monti. Oui, Subay Kocha Monti, elle est jeune, elle étudie. Pourquoi se presser de se marier maintenant n'a qu'à prendre son temps. Pourtant, la fille, elle a 19 ans. On a décidé de se marier. Bien que nous sommes presque de la même famille, mais Matiko ni La plupart des relations de nos jours, c'est sous le mensonge. Ouais. Relation Mosti d'Atari. Walmonim dit juste parce que Nidia ay fo nim dey fo kani saga nous avons besoin nous banim satisfaire tu t'engages et puis m'a amadoué ah, dir fo inka nemo won dey follo isin était il y a iga sandani tomber piège wala so la plupart des filles ici ba staris starisi dinga tarise ni no igba amma ding ni o ken chimdin ici Isbani. So après, la fille, elle a ses cadeaux d'anniversaire, elle a ses gâteaux avec des boucles d'oreilles. So on dit abinde so ina monti nyon oga kar aga haikulu am faidai par finir a des gens aussi parce que yanga en train de se là si de yow aussi ne se si je ne t'aime pas là je vais pas te demander à mariage si je ne t'aime pas normalement la dot devrait partir le 14 sans témoigner c'est ça qu'on était convenu et que la dernière minute il n'est que Assino j'avais demandé à rencontrer son papa j'ai appelé son papa je lui ai expliqué la situation son papa m'a vraiment clairement montré que vraiment je sais pas, la fille va étudier, elle va suivre ses études. So par finir il n'y a Kabou. Je compatis tellement, je compatis hein. tellement. C'est trop, c'est trop. Non, c'est trop. Je compatis tellement. Heureusement, on a un coach sur place, mais avant, on va le laisser un peu réfléchir. on va faire une pause. lui-même, il n'allait pas se relever. <laughs> on va faire une pause avant que tu nous reviennes le conseil, parce que pour lui, là, c'est trop sensible. Arrêtez Halson, jusqu'à présent, à Gobinavo. Oh, ah non, ben, maintenant, ça va comme ça. <laughs> Donc, euh, on laisse la place à, Mr. Dondi pour la reprise peut-être que ça va un peu nous égayer avant de revenir dans cette émission. Jonel, <laughs> Dondi, la machine souhaite la bienvenue au griot sur l'émission. Tu pètes la forme Merci. Les jeunes aujourd'hui du Niger, ils t'ont cerné déjà sur l'émission Tout ça la Fada hier. Parlons de tes œuvres artistiques. Parlons de ton premier single. Parlons de ton premier album, de ta toute première vidéo. C'est de ça qu'on a besoin, Jonel. Je te tends le micro. Donc, euh, mon premier single, déjà, c'était Cour commune. Cour commune. Niamey, la Cour commune. Et euh, donc, après, euh, j'ai fait un, album de promotion qui n'était pas vraiment un album parce qu'il faut savoir que c'est seulement l'année dernière, donc 2021, que j'ai sorti vraiment un album. C'était, euh, si tu veux, un ensemble de plusieurs sons euh, qui ont été produits, euh, diffusés parce que c'est là vraiment qu'on diffuse sur les plateformes et tout ça. Et avant, c'est des titres que je sors juste comme ça et aussi des clips vidéo. Et donc, euh, comme tu parles de clips vidéo, donc le dernier c'était euh, Mille poètes. Parlons de la cour commune. Et depuis le commencement, faisons la cour commune euh, ici sur cette émission. Sur ce beat de Kaïdia. Ah ouais, Niamey, la cour commune. On vient de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Aujourd'hui, on est entre amis, famille, voisins et cousins. Niamey, la cour commune. C'est un peu ça la cour commune. Exactement. Et donc, en dehors de la cour commune, quelles sont aussi on a connu euh, de Vous avez, Ouais, euh, Andunya Dingemissa, je pars d'ici. Ok et Sous le ciel bleu, et euh, Mille poèmes, Mille Keidia, et euh, et euh, ah ouais, ça me vient pas, mais voilà. Super. Alors, euh, un album Ouais, un album aujourd'hui disponible sur euh, presque toutes les plateformes et ce qui s'appelle donc Ils ne sont que des pauvres. Ils ne sont que des pauvres. Alors c'est de cela que je voudrais qu'on parle, le concept et l'album euh, Ils ne sont que des pauvres. Est-ce qu'on peut expliquer un peu euh, ce que ça veut dire Ils ne sont que des pauvres Ouais, bien sûr. Ok. Alors, il y a déjà ce qui m'a poussé, moi, personnellement, à écrire ce premier texte, même si après l'album, on l'a appelé Ils ne sont que des pauvres, c'est amener les uns et les autres à prendre conscience, reconnaître une pauvreté quand elle est présente, si on veut fuir cette pauvreté. Mais quand on ne reconnaît pas sa pauvreté, <laughs> il est difficile de combattre cette pauvreté. Donc évidemment, c'est ça la question, c'est pourquoi ils ne sont que des pauvres. Lionel, nous sommes... Euh, à la fin de cette deuxième partie, parler des projets de l'artiste. Ok. Donc là, on est sur ce projet de Jella Hamboudejo qui va continuer bien sûr. On va encore travailler sur ce projet parce qu'on veut amener ce projet loin. Vraiment loin. Pour que le projet puisse amener le Niger loin. Exactement. Nous sommes à la fin, mesdames et messieurs, de la rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Jonel, yes. ton mot à l'endroit de la jeunesse nigérienne pour qu'il supporte le slam ça serait simplement euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, euh, euh, partager des moments avec nous quand on organise des choses, se déplacer et venir voir. Et voilà ce qu'on attend vraiment euh, de la jeunesse. Tout jeune doit apporter quelque chose pour ce pays parce que ce pays a besoin de ses fils et ses filles. Et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Simple pour me retrouver euh, sur Facebook, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Sur YouTube, c'est pareil, c'est Jonel, J-H-O-N-E-L. Pour euh, trouver l'album, c'est Ils ne sont que des pauvres sur les plateformes. Et puis voilà, c'est tout. Merci Wangaro. Merci. C'était Jonel sur l'artiste s'exprime, mesdames et messieurs. Hey. Eh chers amis, je vous rappelle que oh, nous sommes euh, dans l'espace de détente euh, de Guntiena. Pour ceux qui viennent de nous trouver actuellement dans cette émission, qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes avec Ahmed Barry, Tare Dauda Zakari, nous sommes avec euh, Alker, Yababs Magaji et Yazaza Mimosa aussi sur cette émission pour égayer cette euh, soirée avec vous. Ahmed, tu as écouté l'histoire du Alker, qu'est-ce que tu peux lui dire Quel conseil euh, as-tu à lui donner La première chose, c'est que je comprends, parce que j'avais la chair de poule quand il parlait. Il y a des similitudes dans ce qu'il a raconté et dans ce que j'ai vécu. le plus important, je pense qu'il faut garder à l'esprit que dans la vie, il y a des choses que tu ne contrôles pas en fait. Malgré tous tes efforts, malgré toute ta bonne volonté, malgré toute ta bonne intention, épouser quelqu'un en fait, c'est l'une des choses que tu ne contrôles pas à 100%. En l'écoutant, on sait qu'il s'est donné à fond, il a fait ce qu'il a pu, il a une bonne euh, perspective des choses, un bon mindset, il veut euh, faire les choses comme il veut, à sa façon, et selon ce que lui, il peut. Mais ça englobe une dimension d'une autre personne. Et l'autre personne, même elle, disons, comme elle a 19 ans, on ne peut pas dire qu'elle est enfant, on peut pas dire aussi qu'elle est indépendante. Donc elle a une certaine influence extérieure qui détermine la décision. Ce qui fait qu'en voulant épouser la fille, euh, mon frère qui est là doit forcément épouser la famille de la fille aussi. Vu qu'elle n'a pas atteint le niveau où elle peut décider elle-même et imposer son choix qu'elle choisit. Mais il faut juste comprendre que ça fait partie des choses que je ne contrôle pas. Exactement. Alors, Babs, Dis-moi, est-ce qu'on est obligé d'en parler à quelqu'un Ah, il est toujours important d'en parler à quelqu'un parce que la plupart du temps, les gens se disent oui, je suis fort, je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un d'autre. On a toujours besoin de quelqu'un. Quel que soit l'âge. Aujourd'hui, on parle du mariage. Genre, toutes les religions révélées, on parle de mariage. Ça veut dire qu'à toi seul, tu ne peux pas te suffire. Je vois pas pourquoi tu vas dire que je vais rester. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de à aller voir un psychologue, c'est une question de blanc. Mais pourquoi quand il y a dépression et folie, on ne dit pas que c'est une question de blanc Ça veut dire qu'il faut toujours parler à quelqu'un. Il faut toujours parler à quelqu'un Il faut pas garder pour vous-même. Et toi, Zaza, tu penses que quand on a un gourmand, c'est bien d'en parler à quelqu'un Moi, j'en parle à tout mon répertoire WhatsApp. c'est quelle affaire ça bor kulne igi cece kan ayi bai kan agwani sani ila lemu dai gudun bo dai ka aisar ne sinima aro waisi ngono ba de nyam boraga mais dai ka ngono nimi hin suru mu koy hantama se watoro mbone igi fatten sanira moi je parle à tout le monde que ça soit homme ou femme je cherche quelqu'un de bien qui est bien posé à qui je peux parler et puis tu vas m'aider aussi à insulter la personne à le détester encore plus pour mais pouvoir l'oublier pour pouvoir l'oublier mais si tu me fais pas ça ce que tu m'aimes pas tu m'as jamais aimé Hein? Alors, Taré, dis-moi, tu es du même avis que Zaza Là, là, là, là, là, <laughs> Zaza, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, ça, c'est ta façon de gérer ta frustration sentimentale. Je suis d'accord. C'est ton droit, de toute façon. Ta façon de faire n'est pas normale. Alors, donne-nous ton avis à toi. Est-ce que tu crois qu'il faut en parler à quelqu'un Bien sûr qu'il faut en parler. Parce que c'est quand tu contiens ça grandit en toi et ça peut t'amener à faire des choses qui peuvent te coûter beaucoup dans ta vie. Donc si tu parles, tu t'évades en fait. Tu vides ton esprit de ce que tu as vécu. À travers les discussions que tu vas faire avec tes proches, ça va te permettre d'avoir de nouvelles perspectives qui peuvent euh, t'aider, n'est-ce pas, à fonder encore une autre relation plus solide qui va te permettre euh, de faire quelque chose de bien. Alors Ahmed, dis-moi, est-ce que euh, les peines de cœur peut faire en sorte qu'on perd confiance en soi Explique-nous. Euh, il y a ce qu'on appelle love source. Le gourmet vient de ça. Euh, si tu prends quand l'être humain vient au monde, la première chose qu'on fait, c'est couper le cordon ombilical. Ça, c'est le cordon ombilical matériel. Il y a un cordon ombilical spirituel ou émotionnel. Et quand tu aimes quelqu'un, c'est que tu te branches à la personne. Donc quand tu te branches à la personne, c'est que tu attends qu'elle te nourrisse. La façon dont le bébé est nourri par la mère avec ce cordon-là. Donc lorsque le cordon est coupé, ça veut dire que le bébé peut se nourrir tout seul désormais. Certes, pas immédiatement. Donc émotionnellement aussi, quand tu as ce cordon ombilical euh, émotionnel ou spirituel avec une personne, donc par défaut, tu attends qu'elle te nourrisse d'amour, d'affection, de temps, de considération, tout ce qui est émotionnel et spirituel. Donc lorsque ce fil est coupé, tu as tendance à penser que tu n'auras plus cette nourriture-là, tu n'auras plus ce temps, tu n'auras plus l'affection-là. Et ça, ça peut baisser ton estime de toi. Quand tu regardes un film à la télé et que le fil est débranché, ça te frustre sur place, alors que c'est juste une télé. Alors imagine quand, en tant qu'être humain, tu es branché à quelqu'un et que ce fil est coupé. C'est normal que ça t'affecte, que ça te fasse perdre confiance. Mais la question, c'est jusqu'à quand Faut pas que ça dure. Ça peut arriver sur les temps, mais pas tout le temps, pas éternellement. À la fin, si tu ne fais pas attention, la douleur que t'as fait ressentir une personne peut changer qui tu es, de sorte que tu vas devenir l'émotion que tu ressens. Et lorsque tu atteins ce niveau-là, c'est que l'émotion est engrangée dans ton ADN. Si on fout ton ADN, on va trouver cette émotion-là, parce que tu l'as gardée en toi. Et à ce niveau-là, ta santé en prend un coup. Tu peux vieillir avant l'âge, comme on dit. Merci beaucoup, Hamed. Faisons une petite pause musicale et on revient juste après, mais cette fois-ci, pour la première fois sur la Fada, j'ai choisi moi-même le son et c'est le gourmet là me fracasse de tout fan. C'est comme ça, Le gourmet là me fracasse, Depuis que j'ai quitté la c'est comme ça, ne vient pas tac, pas Aou Ah, ah, ça va la bête, tu dis, tu dis, oh, ah. Le là me fracas, fracas. Salis de ma coco, ah, une bobana, ah, ah, elle m'a aimé, ah, mais je l'ai blagué, ah, je l'ai fatigué, mm, car le sang tombé, barouka, casse, barouka, casse, A dégager, c'est les congés. Quand je l'ai revu, j'étais bailli, bailli, elle était au goût du goût du, ça dit, ça dit, notre émission sous le thème Le chagrin d'amour chez les jeunes, comment est-il vécu Et je vous rappelle que c'est toujours à l'espace de détente de Guntiena. Nous sommes avec Babs, nous sommes avec Ahmed, nous sommes avec Tare, nous sommes avec Alker et aussi Mimosa qui est avec nous. On continue à notre émission et n'oubliez pas, chers amis, vous pouvez envoyer vos commentaires sur le 80 06 88 54 pour réagir dans cette émission. Mais avant, écoutons une question d'auditeur qui nous vient d'un Nigérien ressortissant qui est en Côte d'Ivoire, mais il a posé une question pour nos invités de ce soir. On l'écoute et on revient pour vos réponses. Pourquoi dans une relation, nous les hommes, on a toujours le gourmet Alors, euh, on commence avec toi, Babs. Réponds à cet auditeur. Il ne faut pas qu'il conjugue en fait. Pourquoi toujours les hommes en gourmand? Tout le monde a gourmand en fait. Toute personne qui décide d'aimer, homme, femme, enfant, vierge, tout le monde a gourmand. C'est pas que les hommes. Maintenant, c'est les hommes qui savent pas gérer leur gourmand. Femme là que tu vois, quand elle rentre dans relation, elle met pas les organes comme les hommes. Mais elle te fait comprendre qu'elle est en train de mettre organes. Mais toi, l'homme, par contre, tu es là, tu fais semblant, tu fais pas, tu triches partout, partout. Le jour où le vrai gourmand va te frapper, on va t'attraper parce que tu seras sur le pont en train de te jeter. Cas particulier, Babs Il ne faut, pas qu'il conjugue en fait. Et toi, Ahmed Je rejoins la dernière phrase de Babs quand il dit que c'est l'homme qui ne sait pas gérer les émotions. Parce qu'en fait, les hommes se croient forts. C'est vrai, ils ont une prédisposition à la force euh, physique et tout ce qui va avec. Mais il faut pas se surestimer non plus. Comme on dit, le manque de confiance et l'excès, les deux sont, sont nuisibles. Ils se pensent forts et lorsque ça se reprend là, ça a plus de dégâts que d'habitude. Parce qu'en fait, quand tu t'estimes euh, à un niveau 10, tu penses que non, toi tu peux tout gérer 10. Et qu'un jour, une circonstance te montre que tu n'es même pas à un niveau 1. Ça te fait plus mal que celui qui sait déjà qu'il peut vivre une douleur, mais que ça, ça le survient. Et toi, Taré tu peux répondre à la question de cet auditeur euh, Pourquoi c'est toujours les hommes qui ont goumé Oui. Ça là, c'est très relatif. C'est-à-dire les gens ont gommé mais à des séquences et des cadences différentes. Il n'y a pas que les hommes qui ont toujours gommé. Même les filles ont toujours goumet Mais contrairement à ce qu'il lui il dit, les hommes contiennent plus le gourmet que les filles. Et toi, Alker, qui penses que les hommes, c'est eux qui ont toujours gourmet, c'est vrai Moi, je ne crois pas à ça. C'est les deux cas, les femmes et les hommes. C'est entre les deux, mais quand même, les hommes, eux, ont une manière de penser qui est différente des, femmes. Un homme se prend la tête, surtout s'il a l'argent, il pense que ah, il faut un sikangéga. Il se permet de faire certaines choses ah, certaines femmes que si elles donnent de ah, tchare. Alors, et toi, Zaza, Ahmed t'a introduit, dis-moi, il dit que. moi, je me dis que j'ai pas donné gourmet aux hommes parce que jusque-là, je me suis pas mariée. Je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu donnes gourmet à un homme, c'est quand tu te maries. Non, non, non, non. Jusque-là, je suis célibataire, je n'ai personne. Non, ça n'a rien à voir. c'est ton histoire, en fait. Tu racontes les gourmets que tu as donnés aux gens. Euh, moi, j'ai toujours été honnête dans mes relations. Pourquoi Parce que quand je ne veux pas de toi, je te dis, tel, franchement, je ne peux pas sortir avec toi. Si tu veux, on reste des amis. Au cas échéant, si ça ne te convient pas, tu prends ton chemin. Voilà. Sincèrement, je suis comme ça. C'est pour cela, moi, on me blesse. Quand tu viens vers moi pour me draguer, je te dis, tel, voilà, voilà comment je suis. Et je te dis même mes défauts. Je suis collante, je suis chiante, jalouse, je vérifie tout dans ta vie. Même sur Facebook, quand tu commentes, je te fais capture, je t'envoie tel, voilà. Je te dis tout avant même qu'on entend. Si tu acceptes d'être avec moi. <laughs> Apparemment, Alker n'est pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a le vrai amour même Il y en a. Parce que moi, non, vraiment, Mon frère, c'est pas parce que tu as pris balle perdue semaine passée, tu vas dire que le vrai amour n'existe pas. Balle perdu non, faut le respecter. C'est une balle réelle. l'amour, le vrai existe. Voilà, l'amour vrai existe. Attends, je m'exprime. Oui, vas-y. Et j'ai toujours été fidèle dans mes relations. Aïe. Aïe, Zed Irkoy. Le vrai amour. C'est une information nouvelle. Le vrai amour euh, au yoga. Le vrai amour gono. Le vrai amour, Parce que je, t'ai dit mes défauts. Si tu acceptes d'être avec moi, on, continue. Non, ça, c'est pas le vrai amour. Ça, je suis ah, avec ça. attendez, attendez. Mais si on continue. Ensuite, répondez. Barry. Ah, ah. C'est quoi le vrai amour C'est quoi le vrai amour alors Le vrai amour. Voilà. Définissez vrai amour, ensuite, ensuite répondez. De un, nous sommes filano, ni critères Nino quoi engagé, tu sais que réellement si tu es engagé, pas n'est au fond de ton cœur. N'est pas est quoi ici. relation qui est basée sur des intérêts, c'est pas le vrai amour. Donc moi je t'ai dit j'étais basé sur des intérêts quoi. Non, je pas dit. <laughs> Moi je parle en général. C'est quoi le vrai amour Le vrai amour c'est quand tu acceptes euh, les défauts de ton partenaire, que ça soit positif ou négatif, tu l'acceptes en tant que tel. Voilà, moi je me dis que c'est ça l'amour. Alors, euh, je passe à ma toute dernière question qui est spécialement pour Babs et pour euh, Ahmed Bari. Je commence avec toi, Babs. Le chagrin d'amour, est-ce qu'il est toujours négatif Parce que souvent, il certains qui disent ça m'a apporté telle leçon de vie, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu en penses Le chagrin d'amour n'est pas toujours négatif. Parfois, ça te forge, ça te montre les vrais visages de la vie. Et après aussi, ça te permet d'être encore plus fort. Et pour les gens qui vont plus loin, ça leur permet, par exemple, d'apprendre de leurs erreurs, de se corriger, d'essayer d'être parfait, même si le parfait n'existe pas, mais d'essayer d'être meilleur que la relation précédente en fait. Bon, ce que moi je dis, c'est que les choses n'ont de sens que le sens qu'on leur donne. C'est-à-dire, il peut être négatif et positif, c'est toi qui décides de ce que ça veut dire. Euh, si tu es dans une relation et qu'elle s'est terminée, c'est à toi de voir, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du monde, j'aurai plus une autre relation, X, Y, Z, ou est-ce que tu peux te dire aussi que, OK, ça c'est fini, maintenant on regarde l'avenir, on voit ce que ça donne. En fait, chaque chose, qu'elle soit apparemment bonne ou apparemment mauvaise, est une opportunité pour apprendre à mieux se connaître et à savoir comment mieux fonctionner à l'avenir. Moi j'ai une question à vous poser pour les autres. OK. Vas-y. Ah, bah, euh, j'aimerais savoir pourquoi après euh, une rupture, un mois, deux mois, un an après, l'homme, oui, pourquoi il revient c'est sincère ou c'est faux Non, c'est très simple. Tu veux répondre Vas-y, vas-y, je vais répondre. Alors, c'est très simple. Euh, les hommes et les femmes sont de configuration opposée. Moi, je ne reviens jamais, mais je demande à l'homme pourquoi il revient. Non, ce, que je veux dire plutôt, c'est des configurations différentes. La femme a une configuration croissante après une rupture, et l'homme, elle est descendante. Quand il y a une rupture aujourd'hui, les 2, 3, 4 jours qui suivent, là, la femme, elle est au fond. Et l'homme, limite, ça lui fait rien. Mais je parle par défaut, hein, je ne veux pas dire que c'est tout le monde comme ça. Je mhm. parle de configuration normale. Mhm. Maintenant, euh, la semaine qui suit, les deux semaines qui suivent, c'est là où les deux commencent à se mettre en question. Mais ce que l'homme, il remet en question sa décision d'avoir arrêté la relation ou qu'elle soit arrêtée, la femme remet en, cause sa situation. Maintenant, au bout de 3, 4, 5 semaines, la femme, maintenant, elle a oublié. Mhm. Et maintenant, c'est là où l'homme, lui, il chute. Maintenant, au début, l'homme commence à descendre et la femme commence à remonter. Ce qui fait qu'un mois après, deux mois après, c'est là où lui revient et c'est là où la femme elle en a fini. Oui. C'est comme ça. Il faut que les deux se, complètent. C'est yin-yang. La femme est yin, l'homme est yang l'homme il revient euh, après. Donc en conclusion, c'est sincère ou bien c'est faux Très souvent c'est sincère sur le moment. Sur le moment c'est sincère. Tu rien à lui dire. Un an après. Non, non, non. Pourquoi on un, an après, c'est parce qu'il a tapé, tapé, tapé ailleurs. Il n'a pas vu mieux que toi. Voilà. C'est ça que je voulais te dire en fait. Tu vois, quelqu'un revenir là. Parfois, il y a des hommes qui reviennent ou bien il y a des personnes qui reviennent dans ta vie parce qu'ils se disent que je ne l'ai pas assez mise en bas. Je reviens pour terminer ce que Il y a des sincères, il y a des Quel sincère S'il était sincère, il allait te laisser pour mais aller mais Pourquoi ça arrive ah, arrive à ah, tout moment. La personne qui va se marier le 18 là, crois-moi, elle va encore revenir, elle va encore te saccager. Mais je ne l'aime pas. Celui qui m'a appelé pour me demander pardon, je ne l'aime pas. J'ai même regretté pourquoi je l'ai aimé. Moi, à mon actif, je n'ai pas eu beaucoup de copines. <laughs> tu peux me citer une Copine, ah, je connais beaucoup. Toi, non, tu connais pas. Beaucoup, c'est deux. c'est-à-dire une relation officielle. Donc c'est. Ah. Ah. une relation officielle. Regarde, éliminé. Ah non, attends, attends, s'il vous plaît. Une relation officielle. Donc c'est moi, je suis allé draguer. J'ai dit, je suis intéressé. Donc t'as dragué. Ça c'est très peu. Et je te dis, quand je claque la porte, moi c'est fini. Hein. <laughs> oui, je te dis, quand je claque la porte, je pars. Ça ne me dérange pas trop. Il faut que tu aies une copine. Il faut que tu. Ça, ça n'a jamais été mon problème. si je trouve, c'est bon. Si je ne trouve pas, ça ne me dérange pas. Alors, euh, chers amis de la FADA, nous allons faire place à Olivier pour sa chronique du jour. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans la chronique de ce soir, nous allons parler du syndrome de notre époque. Dans l'aventure humaine, chaque être vit selon son époque, son temps. Nos parents ont l'habitude de dire à notre époque, le prix du bus était à tel prix, ou encore, à notre époque, les femmes n'avaient pas droit à faire ceci ou cela. Et en face, toi, tu verras quand même une autre réalité. À travers les générations, certaines questions restent intactes, mais les réponses changent. Que ce soit dans les domaines de la science, l'éducation ou encore la santé, chaque époque a sa Particularité. C'est ainsi que certains ont vécu le temps de la lèpre et d'autres, comme nous, avons vécu le temps de la COVID-19. Oui, chaque génération vit selon son époque. C'est en cela que le syndrome de l'époque n'épargne personne. Le syndrome de l'époque, c'est le fait que votre habitude soit influencée par votre actualité ainsi que vos comportements. Une simple observation de notre génération et de l'histoire de celle d'avant nous montre qu'auparavant, les femmes et les hommes étaient respectueux de leur intimité. Mais de nos jours, la recherche du buzz pousse les jeunes à exposer leur intimité sur les réseaux sociaux. Une exposition qui est dans l'air du temps. Et tout ceci n'est que le syndrome de notre époque. Amis auditeurs et auditrices, selon plusieurs observateurs, les faits qui se produisent aujourd'hui ne sont que l'effet des actions immédiates ou lointaine. Alors, sommes-nous victimes du syndrome de l'époque d'avant Je vous laisse répondre. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. amis, euh, nous sommes euh, à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu présent, chers invités. Je ne fatiguerai jamais de le dire sans qui cette émission n'aurait pas été possible. Merci de rester câblé sur les programmes du studio Kalangu. Merci beaucoup. Ça fait aussi au week-end prochain. Je vous fais des gros bisous, mes loulous. Bye bye.